le forum du studio le forum du le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du Chers auditeurs et téléspectateurs, euh, bonsoir et merci de votre fidélité au programme de Studio Kalangu que vous recevez grâce à notre réseau dynamique composé de 46 radios et 6 télévisions partenaires. Quelle voie de recours pour un règlement pacifique des contentieux électoraux au Niger Tel est le thème du forum de Studio Kalangu de ce soir. Comme vous le savez, le processus euh, électoral entamé suit toujours son cours au Niger après la tenue de l'élection présidentielle premier tour couplé aux législatives du 27 décembre 2020 et la proclamation des résultats globaux provisoires qui en sont issus le samedi 2 janvier 2021, tous les regards sont à présent tournés vers la Cour constitutionnelle, le juge électoral, qui aura à vérifier la régularité des actes de ce double scrutin et à proclamer les résultats définitifs. Rappelons que l'article 102 du Code électoral nigérien dispose que dans le cadre de la surveillance des élections présidentielles, législatives et référendaires, la Cour constitutionnelle peut désigner et ou plusieurs délégués choisis parmi les magistrats pour suivre sur place les opérations électorales. Ces délégués produisent des rapports circonstanciés sur les opérations qu'ils ont suivies. Ces rapports euh, ont valeur de simples renseignements. Dans le cas où la Cour constitutionnelle constate euh, l'existence euh, d'irrégularités dans le déroulement des opérations, il lui appartient d'apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu de maintenir les dites opérations ou de prononcer leur annulation totale ou partielle. Ainsi, dans la première partie de ce forum, nous verrons d'abord comment se fait l'introduction des recours de contestation des résultats des élections à la Cour constitutionnelle et dans la deuxième partie, comment ces recours sont-ils examinés par le juge électoral et comment rend-il sa décision finale avant de procéder à la proclamation des résultats définitifs. Pour en débattre, nous avons le plaisir de recevoir Mahaman Bachar, il est juriste euh, et coordonnateur euh, d'un regroupement d'associations qui œuvre dans le domaine euh, du développement de la démocratie et des droits humains. Il s'agit du réseau Espérance. Coordonnateur, bonsoir. Et Kani Abdullah, il est le coordonnateur du collectif des organisations nigériennes de défense des droits de l'homme et de la démocratie, CODE. Bonsoir, coordonnateur. Et bonsoir. À la présentation de ce forum, Michel Dégé. Pour commencer, Mahamana Bachar, que signifie le contentieux électoral Merci d'abord euh, pour euh, l'opportunité que vous nous offrez euh, de euh, de débattre ou j'allais dire d'opiner sur euh, les situations ou les sujets d'importance euh, capitale pour le pays, à savoir notamment le procès électoral dans lequel nous sommes actuellement. il faut entendre par contentieux tout litige, hein, tout désaccord sur une situation définie. Ici, à l'occurrence, il s'agit euh, de, du contentieux électoral. Il y a contentieux électoral lorsque une des parties, euh, donc euh, participante à un processus électoral, n'est pas d'accord avec euh, ce qui s'est passé sur le terrain, soit parce que cela viole donc un texte existant ou parce que il y a un comportement inapproprié qui aura été posé par le candidat euh, donc euh, euh, adverse ou alors un de ses partisans. Mm. Donc le contentieux est né à partir de cet instant-là, dès lors que son enjeu est de pervertir ou de modifier négativement le sens du choix des citoyens qui auront voté. Mm. Donc, lorsque vous vous sentez dans une situation où vous vous sentez lésé par rapport à ce comportement-là, attaqué, on peut considérer que vous êtes en situation de contentieux. Mais puisque vous-même, vous êtes candidat ou vous soutenez une candidature, vous ne pouvez pas décider du sort à donner donc, euh, euh, au comportement. Donc, vous vous adressez à une juridiction euh, compétente à la matière. pour ce qui concerne les élections législatives et présidentielles, il s'agit de la Cour constitutionnelle pour ce qui concerne les élections régionales et municipales, il s'agit de tribunaux de grande instance. Mhm. Euh, à la différence donc des contentieux qui sont connus devant la Cour constitutionnelle, ceux euh, donc connus par les tribunaux de grande instance sont susceptibles de recours devant le Conseil d'État. Mhm. Alors que la Cour constitutionnelle, elle, est statue en premier et en dernier ressort. Donc c'est ça qui fait un peu la différence en termes de portée des décisions. Ça veut dire la Cour constitutionnelle, quand on va là-bas, c'est fini. fini. On ne peut que rester là-bas. Alors que les élections locales, c'est au niveau d'un tribunal. Si ça ne va pas, on va au niveau du Conseil d'État. Voilà. Bien sûr. Voilà. sauf euh, cas d'erreur matérielle. Mhm. La Cour peut avoir une erreur matérielle. Erreur matérielle, ça veut dire Ça veut dire que dans euh, les pièces sur la base desquelles elle s'est appuyée pour statuer, il y a une pièce qui ne correspond pas euh, donc à celle attendue euh, en termes de qualité, c'est-à-dire mm. la, la, forme et, et, le contenu, mm-hmm. elle peut euh, effectivement, dans ces cas-là, très particulier et très rare, puisque puisqu'on fait ce qu'on appelle les, vérifications. D'abord, on fait la mise en état, on s'assure que tout est normal mm-hmm. avant de pouvoir statuer, puisque à la différence des types de décisions de la vie de tous les jours, les décisions judiciaires doivent être impérativement motivées. Mhm. C'est-à-dire vous devez vous appuyer sur un texte pour rendre une décision. Mhm. Et lorsque le texte lui-même est insuffisant ou n'existe pas pour rendre une décision, là on est en face de ce qu'on appelle le vide juridique. Mhm. Mais quand il n'y a pas de vide juridique, le juge est tenu de rendre une décision et sa décision doit nécessairement être motivée par un texte existant quand il y a un contentieux électoral, il faut donc euh, attendre une décision de justice. Merci, on vous a bien compris. Kanye Abdoulaye, euh, coordonnateur du Code, pourquoi faut-il euh, faire recours en cas de doute et contestation de la sincérité ou de la régularité des opérations de vote dans un état de droit Merci beaucoup pour cette opportunité que vous nous offrez. Mmh. <laughs> j'allais dire que vous avez déjà par vous-même répondu à la question que vous me posiez. Quand est-ce qu'il faut faire recours c'est quand il y a un contentieux. Et il y a contentieux quand Lorsque il a dit, dans, en résumé, un cas de désaccord, mhm. ou que un cas où les résultats peuvent être pervertis. Effectivement, on peut faire recours. Et tu as parlé d'état de droit. Parce que dans un état de droit, les citoyens ont des droits. Donc, celui de la participation à la vie politique de leur pays, tel que prévu par les dispositions même pertinentes du pacte international relatif aux droits civils et politiques auxquels le Niger est parti. Mhm. Donc je pense que dans un état de droit, la meilleure manière même, la meilleure manière ou la meilleure façon d'aborder un litige euh, électoral ou un contentieux électoral, c'est effectivement d'aller devant le tribunal. On peut dire que ça permet de se démarquer des violences également qu'on constate lorsqu'il y a crise justement pendant les périodes électorales ou post-électorales. Justement, c'est pourquoi effectivement ce choix. Comme je le mhm. disais, c'est pourquoi ce choix. Parce que on ne peut pas se rendre justice. Ou bien, euh, on ne peut pas parce que vous estimez que vous avez été volé de vous rendre justice ou d'appeler mhm. par vos militants à la violence donc, il faut choisir cette voie. Choisir cette voie, est parce que aussi, Bachar tout de suite dans son introduction a dit que, par exemple, en l'espèce, pour les élections législatives et présidentielles, c'est par devant la Cour constitutionnelle. Mmh. Or, le législateur a voulu que la Cour constitutionnelle soit une juridiction de premier, le premier des derniers ressorts. C'est ce que disent les juristes. Ça veut dire que quand vous partez devant la Cour constitutionnelle, non seulement nous estimons que vous êtes légaliste et que mm. vous êtes un démocrate, nous, pour nous, nous estimons que c'est parce que nous sommes dans un état de droit. Mm-hmm. Donc, lorsque vous partez par devant la Cour constitutionnelle et que la Cour constitutionnelle rend sa décision elle doit s'imposer. Elle doit. C'est la Constitution qui le dit d'ailleurs. Il pour la Cour constitutionnelle, on dit bien que les décisions ne sont susceptibles d'ailleurs d'aucun recours. Euh, nul ne doit donc euh, se faire euh, justice. Il faut toujours faire recours aux juridictions compétentes pour qu'elles puissent trancher en cas donc de contentieux électoral. Il faut rappeler justement que plusieurs déclarations préliminaires des observateurs nationaux et internationaux de ce double scrutin du 27 décembre 2020 ont déjà appelé au respect des voies de recours pour les contentieux électoraux. C'est le cas de la Commission nationale des droits humains, CNDH, qui a eu à déployer 530 euh, observateurs dans 2650 bureaux de vote, soit 10,20% des bureaux de vote de l'ensemble du pays de ce double scrutin du dimanche 27 décembre dernier. Je propose de suivre un instant de la déclaration rendue publique à ce effet le vendredi 1er janvier dernier. La déclaration est lue par Moussa Hamidou Talibi. Il est le rapporteur général de la CNDH. La CNDH salue la régularité du processus électoral et se félicite de la forte mobilisation du peuple, en particulier des femmes et des jeunes, pour avoir exercé librement son droit et devoir de vote dans la paix et la sérénité, preuve de sa maturité d'esprit et de la vitalité de la démocratie nigérienne. Encourage la CENI à poursuivre les corrections aux manquements et insuffisances constatées pour les futures échéances électorales. Demande que les résultats issus des urnes soit proclamée et validée par les institutions compétentes dans le respect des droits des citoyens. Rend hommage à tous les acteurs qui ont concouru à la tenue de ces élections dans la paix et la quiétude sociale. Invite la classe politique à désigner dans les bureaux de vote des ressources humaines compétentes à la matière et l'exhorte également à privilégier le dialogue politique et les voies constitutionnelles de recours pour les contentieux électoraux. Moussa Hamidou Talibi, il est le rapporteur euh, général de la Commission nationale des droits humains, CNDH, propos recueillis par le studio Kalango. À votre niveau, que retenez-vous de ce double scrutin du 27 euh, décembre 2020 Kani Abdoulaye, coordonnateur du collectif euh, des organisations nigériennes de défense des droits de l'homme et de la démocratie Code. Oui, je pense que ce qu'il faut retenir, hum. d'abord, je dois dire que le Code est en consortium avec d'autres organisations et en mettant aussi à la disposition de la Commission nationale des droits humains des ressources humaines, a quand même fait l'observation électorale. Et ce qu'il faut d'abord retenir, la première des choses, de mon point de vue, c'est la maturité du peuple nigérien. Bien sûr. Personne, je pense que personne n'aurait pu penser qu'il y aurait élection le 27 de manière paisible, mhm. puisque quelques jours avant les élections, on pourrait parier qu'il n'y aura pas d'élection au Niger. Tellement les tensions étaient vives. Il y a eu élection. Les Nigériens sont sortis massivement pour voter leur candidat, mhm. sans violence ni heurts. Et il oui. y 70% presque pour le taux de participation. Il faut le rappeler. Il faut le rappeler. Ça veut, dire, ça veut dire que les Nigériens sont sortis massivement. Mhm. Oui, il y a eu effectivement des incidents et nous avons pu démontrer que ces incidents ne peuvent pas effectivement jouer sur la crédibilité du processus, parce que c'est tout un processus mhm. jusqu'aux élections. Et nous avons relevé, effectivement, dans des localités, dans certaines localités, surtout très éloignées de la capitale, mhm. qu'effectivement, il y a eu aussi des violences qui ont pu être contenues tout de suite. Et pour nous qui sommes minimes et qui ne peuvent pas entacher sur la régularité, la, crédibilité de double scrutin mhm. du 27 décembre. De façon générale. De, façon générale. Mhm. Et s'il y a, et s'il y a, si les, candidats ou les groupements des candidats ou les, ou, les partis politiques estiment également qu'ils ne sont pas d'accord avec certains faits et gestes qui ont pu être tenus quelque part, ils mhm. peuvent effectivement aller par devant la Cour constitutionnelle pour euh, faire connaître les griefs qu'ils reprochent effectivement au processus, puisqu'on parle du contentieux électoral en ce moment. Merci beaucoup. Mahan Bachar, euh, en général euh, qui peut donc euh, contester les résultats provisoires de ces élections présidentielles premier tour et législatives euh, du dimanche 27 décembre 2020. Ok. À ce niveau-là, il faut surtout envisager la question en termes d'échelle. Mhm. normalement, tout citoyen électeur peut justement demander l'annulation de vote dans le bureau de vote où lui-même il a voté lorsqu'il constate de graves irrégularités susceptible d'entacher euh, la crédibilité, la sincérité des résultats. Mais en ce qui concerne le contentieux à proprement parler, il est porté devant la Cour constitutionnelle dix jours après la proclamation de résultats provisoires, mmh. c'est-à-dire par la CENI, qui est euh, l'autorité compétente pour euh, donc publier les résultats globaux provisoires, comme on les appelle. Mmh. Donc, dans l'espace de ces dix jours-là, tout parti politique, tout groupement de partis politiques, tout candidat indépendant a le, pouvoir de pouvoir rester euh, en justice, mhm. devant la Cour constitutionnelle pour faire connaître, euh, en tout cas, les récriminations euh, qu'il formule vis-à-vis d'un scrutin ou vis-à-vis de certains bureaux de vote ou circonscriptions électorales en question. Donc mhm. la Cour, là, dans ces conditions-là, examine les, les, recours et demande à la partie attaquée, puisque chaque fois que vous attaquez en justice, vous êtes une partie demanderesse et il y a aussi la partie défenderesse, c'est-à-dire les autres candidats qui sont concernés. Donc, euh, elle communique donc, euh, le contenu de vos récriminations et on leur donne cinq jours pour produire un mémoire en défense, c'est-à-dire de dire s'ils sont d'accord sur ce qui a été dit ou ils ne sont pas d'accord. Mhm. Donc après qu'ils aient produit leur mémoire en défense, euh, donc euh, dans un délai de cinq jours, on vous les notifie et on vous donne trois jours pour réagir, c'est-à-dire pour faire des observations aux requêtes qui ont été formulées. Mhm. Donc à l'expiration de ces trois jours-là, la Cour peut statuer même lorsqu'elle n'aura pas reçu vos observations. C'est-à-dire que c'est un délai ferme, donc qui, dans lequel euh, vos observations doivent être euh, reçues par la, Cour. Donc, lorsqu'ils ne sont pas euh, déposés, et donc la Cour peut estimer que vous n'avez pas trouvé matière ou vous n'avez pas trouvé nécessaire de réagir. Donc là, elle statue. Donc, en fonction de la gravité des choses, puisque la Cour constitutionnelle, comme vous l'avez vous-même euh, rappelé euh, dans votre euh, mot introductif, elle fait un contrôle a priori comme elle peut le faire a fortiori. Donc, a priori, c'est l'envoi notamment des magistrats ou de toute personne qu'elle juge compétente pour aller lui constater Hein, euh, la régularité des opérations sur le terrain. <laughs> Et euh, vous l'avez également signifié que ces magistrats-là ou ces personnes euh, commises, soit par ce qu'on appelle la commission rogatoire ou bien désignées par la Cour expressément donc, sur des, questions précises, cela, il remonte à la Cour donc un rapport qui a une valeur de renseignement. C'est-à-dire qu'avant même qu'un recours ne soit formulé, la Cour a une euh, image générale de tout le processus mhm. sur la base duquel elle peut déjà se faire une opinion par rapport à la crédibilité de telle ou telle opération à tel ou tel endroit. Donc en fonction de la nature et de la gravité euh, donc de ces irrégularités-là, la Cour peut considérer que euh, les opérations ayant eu lieu dans ces endroits-là contestés, elles les annulent ou elles réforment, réforme, comme on dit en droit, elle réforme donc les résultats qui sont euh, donc euh, publiés par euh, la CENI. Donc là, dans ces cas, il s'agira de faire des modifications pertinentes en prenant en compte justement ces, différentes irrégularités qui sont constatées. Voilà un peu comment les choses se passent euh, du point de vue légal en ce qui concerne l'appréciation de ces euh, recours-là en matière euh, électorale. Donc, pour ce qui concerne les élections régionales et municipales, c'est les tribunaux de grande instance donc, qui statuent là-dessus, qui sont saisis donc, dans les 10 jours aussi après mmh. la proclamation de, de, de résultats et, qui apprécie. Mais à la différence de la Cour constitutionnelle, comme je le disais tantôt, les, décisions qui sont rendues devant les tribunaux de première instance sont susceptibles de recours devant le Conseil d'État. Donc on peut les attaquer, mm-hmm. évidemment, lorsque on n'est pas d'accord. Alors que pour ce qui concerne eh, les décisions euh, de la Cour constitutionnelle, ils sont insusceptibles de recours, euh, sauf euh, des cas très très exceptionnels comme je vous l'ai dit, en cas d'erreur matérielle, mhm. évidemment, la Cour peut réexaminer euh, donc euh, une décision qu'elle aura déjà rendue. Mais en principe, la portée générale, c'est que ces arrêts sont insusceptibles de recours et ils s'imposent à toutes les autorités civiles, militaires et administratives et à mhm. tous les citoyens. Merci à vous, Kanye Abdoulaye. Que faut-il faire euh, pour que le règlement des litiges mettant en cause la régularité du processus électoral se fasse alors euh, dans les meilleures conditions après la proclamation des résultats provisoires du double scrutin du dimanche 27 euh, décembre 2020 par la CENI Je pense que les candidats ou les partis qui estiment qu'il y a matière à saisir la Cour constitutionnelle doivent produire le preuve parce que il faut produire les preuves. Quand même, euh, Bachar a rappelé que la Cour constitutionnelle peut envoyer soit un magistrat ou une personne pour aller sur le terrain pour observer, voir et constater de la régularité, mhm. la sincérité des votes. On dit c'est juste pour renseignement. Mhm. Mais lorsque vous vous estimez que vous allez porter un litige par devant la Cour constitutionnelle, c'est de bien documenter le problème pour pouvoir effectivement attaqué Parce que il y a aussi la partie adverse, bien sûr aussi, qui va se défendre. Mhm. Donc, pour cela, il ne faut pas prendre ça à la légère. Il faut pouvoir documenter. Parce que je vois souvent, et si vous me permettez, sur les réseaux sociaux, deux fois, des gens qui envoient des vidéos pour dire que ah, il y a eu ceci par cela, ou bien nous avions appris. Non, par devant la Cour constitutionnelle ou un tribunal, il y a pas de. On a appris. il faut des preuves tangibles. Il faut des preuves tangibles. Légales surtout, hein. Mhm. Par exemple, si vous voulez, par exemple, annuler le résultat d'un vote, par exemple dans une commune, dans une région ou même dans un bureau de vote. Il ne suffit pas simplement de dire que, ah, par exemple, le résultat que nous, nous avons ne correspond pas, par exemple, au résultat qui a été publié, par exemple, par la, par la CENI. Où on a pensé que dans telle localité, c'est notre parti, c'est notre parti qui détient <laughs> la majorité, la majorité. Des électeurs. Non, il euh. faut pouvoir effectivement mener des procès verbaux. C'est pas pour rien. Vous avez vu dans la déclaration de la Commission nationale des droits humains. la Commission nationale des droits humains a demandé expressément aux partis politiques d'envoyer des personnes qui sont en mesure de comprendre ce qui se passe. Dans ce cas, si réellement l'ensemble des, représentants des partis politiques ont signé sur le procès verbal et que ce n'est pas le procès verbal sur lequel l'ensemble de ces partis politiques, représentants de ces partis politiques, ont signé si ce n'est pas ce résultat, par exemple, qui est parvenu à la CENI au niveau local ou au niveau départemental ou même à la CENI au niveau national, là, effectivement, il y a des problèmes, mm. il y a des doutes. Mais, par exemple, je ne peux pas rester, par exemple, ici à Niamey pour dire que, par exemple, dans le Gondwana, on a vu qu'il y a eu un taux de participation de 99% et qu'il est impossible qu'au mhm. que il qui ait un taux de 99%. Mais il faut pouvoir le prouver. Et pour le prouver, il faut effectivement avoir un document légal mhm. dont les procès verbaux pour pouvoir le, pour pouvoir le prouver. Ce n'est pas aussi facile qu'on le pense. Hein? Mhm. Ce n'est pas aussi facile qu'on le pense. Mais il faut le faire quand Mais il faut le faire effectivement. Parce que si vous ne le faites pas, le problème qui va se poser, c'est que nous allons partir devant la Cour constitutionnelle, une haute juridiction. Mhm. Le lendemain, nous allons venir sur les médias ou sur les réseaux sociaux discréditer une haute juridiction pour dire que non, que nous avons constaté que dans le Gondwana, voilà ce qui s'est passé, tout le monde a vu ce qui s'est passé dans le Gondwana, mais que la Cour n'a pas dit <laughs> ce que, ce que d'autres sont censés voir dans le Gondwana. Parce que vous n'avez pas apporté de preuves devant la Cour. Mhm. Donc, la Cour ne travaillera qu'avec les preuves que vous avez apportées. Donc voilà pourquoi, lorsque vous saisissez la Cour, surtout en matière électorale, il faut pouvoir apporter les preuves et des preuves légales pour pouvoir rendre facile le travail des membres, des honorables membres de la Cour constitutionnelle. Mhm. Sinon, on jettera l'anathème sur la Cour et ses membres. Merci pour toutes euh, ces précisions. Je rappelle que ces dispositions sont prévues dans le code euh, électoral. Nous avons par exemple l'article 106 euh, qui dit ce qu'a expliqué M. Bachar Mahamman la réclamation est communiquée par le greffier de la Cour aux autres candidats, liste de candidats, partis politiques ou groupements de partis politiques ayant présenté des candidats qui disposent d'un délai de 5 jours francs pour déposer leur mémoire. Il est donné récépissé du dépôt de mémoire par le greffier en chef de la Cour. Article 107 du Code électoral. La Cour instruit l'affaire dont elle est saisie et statue dans un délai de 15 jours Toutefois, lorsque la réclamation porte sur euh, l'éligibilité d'un candidat, la Cour doit statuer dans les 48 heures. L'instruction est assurée par la Cour. À l'effet de l'instruction, la Cour peut ordonner une enquête ou se faire communiquer tout document et rapport ayant trait à l'élection. Elle peut commettre un de ses membres comme rapporteur pour procéder sur place à des mesures d'instruction ou délivrer des commissions obligatoires aux personnes qualifiées ou délégations à toute autre personne qu'elle juge compétente. Elle peut charger le rapporteur de recevoir sous serment les déclarations des témoins procès-verbal est donné par le rapporteur et communiqué aux intéressés qui ont un délai de trois jours francs pour déposer leur observations. Dans un instant, la deuxième partie de ce forum de Studio Kalango. Essayons à présent de voir dans cette deuxième partie du forum de ce soir comment ces recours sont examinés par la Cour constitutionnelle et comment elle rend sa décision finale avant de procéder à la proclamation des résultats définitifs. D'abord, euh, qui assure l'instruction de l'affaire en matière de contentieux électoral, M. Mahaman Bachar. Ça, c'est aux membres de la Cour constitutionnelle de répondre à ces questions. Mm-hmm. Mais toujours est-il que, de par, en tout cas, le code électoral actuellement en vigueur en République du Niger, euh, la Cour instruit l'affaire euh, dans un délai de 15 jours. Il y a 10 euh, jours pour la saisir oui. et elle a 15 jours pour. voilà, c'est-à-dire les, 10 jours, c'est ce qu'on appelle les délais. Mhm. Hmm? Les délais dans lesquels vous pouvez formuler donc un recours en matière électorale. Après, donc ces délais là de 10 jours court à partir de la date de la proclamation des résultats provisoires par la CENI. Mhm. Donc vous avez donc 10 euh, jours francs pour formuler votre recours et déposer devant euh, la, la, Cour euh, constitutionnelle. Mais avant, vous savez qu'a priori, généralement, les, les, partis politiques portent des observations mhm. ou ce qu'on appelle des réserves sur les PV. Hein, donc qui sont transmis après donc un scrutin par, par leur délégué. Donc euh, si cela est fait, dans tous les cas, il n'ira qu'alimenter euh, le, dossier euh, du, contentieux lui-même. Donc dans ces 15 jours-là, où la Cour instruit, elle va pouvoir présenter, ou j'allais dire communiquer, vos récriminations à la partie adverse, puisque vous, vous êtes une partie demanderesse, donc il adresse euh, le, le, contenu de vos récriminations à la partie adverse qui dispose de cinq jours pour euh, formuler sa mémoire en défense. Mhm. Donc, euh, pour dire, voilà là où elle n'est pas d'accord, voilà cette récrimination-là, au lieu de la comprendre dans tel sens, c'est plutôt dans ce, sens-là qu'il faut comprendre. Mhm. Tel fait-là qui a été rapporté ne correspond à ce qui a été dit, etc. Un mémoire en défense, comme on le sait mhm. en matière euh, juridictionnelle. Maintenant, lorsque ce mémoire en défense-là est, produit, il est déposé donc devant euh, le, greffier en chef de la Cour constitutionnelle. Et la partie qui aura attaqué dispose euh, donc d'un délai de trois jours de son côté pour faire des observations par rapport donc aux mémoires en défense produits par la, partie euh, donc défenderesse. Mmh. Donc, et, et, tout cela, comme je l'ai dit, dans un délai donc de 15 jours, la Cour instruit et rend sa décision donc qui a euh, comme portée soit d'annuler euh, donc euh, les élections là où elles ont été attaquées, ou bien alors réformer donc la proclamation des résultats tels que donc déposés par par la CENI. Dans le cas où elle annule donc la totalité, puisque c'est en fonction de la nature et de la gravité, et ou de la gravité, donc de, l'irrégularité. Mhm. Donc là, dans ces conditions-là, un nouveau collège électoral est convoqué, donc dans un délai de deux mois, donc euh, concernant les endroits concernés. Mhm. Euh, mais ça, c'est surtout plus valable pour les élections législatives que pour euh, les élections présidentielles parce que pour les élections présidentielles, on peut faire une appréciation globale si on considère que la portion considérée, même en cas de reprise des élections, n'est pas de nature à changer substantiellement donc mhm. les résultats. donc euh, voilà, on n'a pas à à, voilà, voilà, dire qu'il faut annuler, voilà le tout. Alors que lorsqu'il s'agit des élections législatives, ça peut porter effectivement sur un siège ou sur plusieurs sièges même en question. Mhm. Donc là, euh, de manière pratique, en tout cas, c'est on organise des élections partielles. On, organise des élections partielles, donc sur la base donc du délai de deux mois là pour convoquer le collège électoral comme je le disais tantôt. Donc une fois le collège électoral est convoqué à ce niveau-là, il s'agit de reprendre textuellement, en tout cas, le processus à ce niveau-là précis. Mais ce n'est pas tout. Mhm. C'est que euh, la conséquence juridique aussi, euh, ce n'est pas seulement l'annulation du, du scrutin, il peut y avoir des infractions qui sont susceptibles donc d'avoir une qualification pénale. Justement. Mm-hmm. Donc là, les personnes en question vont être recherchées et traduites devant les tribunaux compétents pour connaître justement de, de leurs actes. Mm-hmm. Et ils vont y répondre naturellement. C'est vrai qu'il y a plusieurs sanctions d'ailleurs qui mm. sont prévues dans le cadre du processus électoral. Euh, elles peuvent avoir une portée pécuniaire. Ces sanctions, ces sanctions, ces sanctions en fait sont appliquées à qui euh, mm mais naturellement à l'auteur ou co-auteur ou complice de Quelles sont les infractions ici eh Bon, les infractions, elles sont nombreuses, mais il faut prendre les plus, les plus courantes. Euh, par exemple, c'est la violence, euh, euh, c'est la falsification délibérée donc des PV. Il y a beaucoup d'infractions qui sont connues, qui sont concomitantes, c'est-à-dire qui peuvent avoir une qualification à la fois euh, traitant de la matière essentiellement électorale ou civile, comme il peut y avoir des infractions qui ont une nature pénale. Par exemple, quand vous venez avec une arme dans un bureau de vote pour contraindre les gens à, faire un vote qu'ils n'auraient pas voulu, et donc vous savez vous-même à quoi vous exposez. Hmm. Hmm? Donc, euh, et quand vous falsifiez les résultats d'un PV, vous savez l'acte que vous aurez posé. Quand vous faites un bourrage des urnes, vous savez à quoi vous vous exposez. Hein? Quand vous faites un achat de conscience, vous savez à quoi vous exposez. La distribution des billets des banques devant le bureau de vote ou l'exercice d'une contrainte contre les électeurs pour qu'ils votent dans tel ou tel sens, c'est une infraction. Mhm. La propagande les jours même du scrutin, c'est une infraction, etc. Mhm. etc. Donc, l'enjeu le plus compliqué dans ça, c'est que comment rapporter les preuves de l'infraction. Puisque parfois, c'est des choses qui se font en une fraction de seconde et la personne disparaît et finalement, vous avez des difficultés à rassembler vraiment les preuves légales. Mm, mm. <laughs> Parce que vous, avez, ah pouvez avoir des preuves pour une infraction, Il faut avoir les éléments constitutifs même de l'infraction. Euh, vous, avez, vous mm. avez voulu faire des précisions Oui, c'était juste pour dire que c'est déjà dans l'histoire euh, des élections au Niger, c'est déjà arrivé où il y a des élections partielles. Oui, à, Tesker. Bien sûr. Mm-hmm. Lors des élections législatives, mm-hmm. effectivement. C'était ce que je voulais dire. Bien sûr, merci beaucoup pour la précision. Vous avez dit qu'il peut y avoir euh, des situations où on procède même, la Cour procède à l'annulation totale même euh, mm-hmm. du double scrutin. Ça dépend. Oui, vous avez dit partiel ou euh, total. Voilà. Mais c'est vrai, on a dit que le collège électoral est convoqué dans l'intervalle de deux mois après cette décision. Mais par exemple, au cas où on arrive à une situation où il faut annuler carrément les élections, dans leur intégralité, est-ce que ça n'a pas d'impact sur le mandat du président de la République euh, Non, mais ces situations-là sont prévues. Mhm. Quand le président de la République est hors mandat, il y a euh, une autorité qui fait office de président de la République pendant cette période-là. Mhm. Et cette autorité-là n'est pas autorisée à se présenter aux, élections, qui suivent. Euh, mhm. Hein? Donc, en cas de décès, en cas de maladie, en cas d'empêchement absolu, comme on mhm. dit, selon les cas, <laughs> il n'y a pas de vide en la matière. Mhm. Il y aura toujours un président de la République. Mhm. La Constitution dit que c'est le président de l'Assemblée nationale, s'il n'est pas candidat, qui assure euh, à ce niveau l'intérim de la présidence de la, République. pour autorité d'organiser des, élections dans les trois mois à venir. Il faut préciser que c'est des cas euh, extrêmement, rares, comme vous avez à dire. Merci à vous, M. Mohamed Bachar, pour <laughs> tous mm. ces éclaircissements mm. euh, par rapport euh, donc, euh, aux voies de recours que nous avons. Mm. Monsieur Tani Abdullah, il arrive qu'une classe politique ou qu'une partie de la classe politique doute de la crédibilité du juge constitutionnel qui rend ses décisions. Que faut-il faire en pareille circonstance pour préserver la paix et la quiétude sociale Je pense que en amont, vous avez parlé d'un terme, mm-hmm. état de droit. Lorsque nous sommes dans un état de droit, et lorsque vous reconnaissez une institution, je pense que la meilleure manière pour préserver la paix sociale est de croire aux institutions que nous nous, donnons. Mhm. Vous savez pourquoi Parce que la Cour constitutionnelle, les juges qui sont à la Cour constitutionnelle, ou dans toutes les autres juridictions, ils ne font pas la loi. Mhm. Ils, ils, appliquent la ils sont juste chargés d'appliquer la loi. Mhm. Et ceux qui font la loi, c'est effectivement on parle aujourd'hui d'élection. Euh, le législateur a conféré mhm. aux députés de voter les lois. La prérogative, de voter la loi. De voter la loi. Bien sûr. C'est le législateur. C'est le législateur en l'occurrence. Donc, elle produit. Elle mhm. produit, effectivement. Elle ne prend mhm. pas de loi. Donc, c'est d'avoir confiance en nos institutions. Pourquoi Parce que une institution est une institution, elle reste mais les hommes passent. Et même, même dans la loi, quand vous regardez, on dit que le juge rend la justice en son ultime conviction. À mhm. partir du moment où on parle de son ultime conviction, on ne dit pas, on n'a jamais dit <laughs> dans l'ultime conviction du demandeur mhm. ou de, du défendeur. Non, le juge rend la justice au nom du peuple, c'est vrai, mhm. mais son intime conviction. Et selon la loi. Dans le strict respect, de, la respect de la loi. Ce sont les articles 116, 117, Justement, 118 qui fait la loi et qui fait la loi Ce n'est pas le juge qui fait la loi. Mhm. Donc je pense que si nous voulons qu'il n'y ait pas de doute, mhm. si nous voulons qu'il n'y ait pas de problème, nous devons faire en sorte qu'il y ait des lois qui sont claires et limpides. Mhm. Parce que lorsqu'on n'a pas Des lois qui sont claires et limpides, le juge va toujours rendre une justice susceptible effectivement de mettre en doute celui qui le fait, ou voir même souvent des décisions absurdes parce que la loi n'a pas été claire. Parce que la loi, oui, quand la loi n'est pas claire, on ne peut pas l'appliquer de manière claire. Mm. Donc c'est pourquoi je pense que nous devons avoir confiance à nos institutions et de se dire que c'est des institutions et c'est des hommes qui les animent et ils peuvent se tromper. Mm-hmm. Et de prendre en compte de les prendre en compte pour des expériences, pour rendre plus performantes, pour changer les lois et les rendre plus performantes que de douter de la sincérité toujours de celui qui est chargé de rendre la justice. Il, est clair que quand mm. vous partez devant la justice, il y a toujours un perdant et un gagnant. Mm-hmm. Et chacun estime gagner. Mais lorsque vous estimez gagner et que vous perdez, mais il faut l'accepter parce que quand vous gagnez, vous n'allez jamais mettre en doute la sincérité du juge. C'est quand vous perdez. Il faut aussi rappeler que les juges sont assermentés pour le cas de la Cour constitutionnelle. Les membres, tous les membres, chacun des membres prête serment sur le livre saint de sa confession. Et il faut donc dire qu'ils sont appelés à respecter également à leur niveau leur serment et à dire le droit. Oui, justement. Mhm. Je pense que tu l'as rappelé. Lorsque quelqu'un est assermenté et il juge sur le, sur le livre saint, de sa confession, c'est ça De sa mm. confession. Je pense que s'il ne, fait pas le travail pour lequel il est parti, mm. vous en tant que croyant, le seul effectivement mm-hmm. avec son serment. Ne faites pas le travail de Dieu à la place de Dieu. Mm-hmm. Il ne faut pas vouloir faire le travail de Dieu à la place de Dieu. Mm-hmm. Je pense que c'est cela aussi le respect des lois. C'est ça aussi un état de droit. C'est ça l'état de droit. Il faut respecter les institutions de la République. Euh, dans une poignée de secondes, nous allons terminer. Bachar Mahaman, quels doivent être les rôles et les responsabilités de tous les acteurs pour une bonne continuité de ce processus euh, électoral Rapidement. Bon, les rôles et responsabilités, tout le monde euh, les connaît. Chacun en ce qui les concerne en tant qu'acteur est appelé à jouer un rôle euh, déterminant qui s'associe à d'autres rôles pour pouvoir assurer la qualité de l'ensemble du processus. Au juge de rendre effectivement les décisions euh, qui sont euh, bien motivées et qui se basent sur les textes juridiques. Et je pense que s'ils le font déjà, ils rendent un grand service à la nation et euh, à l'humanité toute entière parce que euh, le, juge, c'est un citoyen quand même revêtu d'une autorité qui, quand elle rend une décision, elle s'impose aux autres. Donc, lorsqu'il rend ces décisions-là, il doit vraiment les rendre conformément aux lois et, euh, conformément naturellement à l'intérêt général, puisque très souvent aussi, les hautes juridictions sont confrontées et à un double enjeu, à la fois du respect de la loi, mais également la préservation de la paix sociale et la tranquillité de tous les citoyens. Et aux différents acteurs politiques d'avoir un comportement citoyen, un comportement responsable, donc qui va depuis euh, le respect des normes en vigueur jusqu'à l'acceptation des résultats quand on les perd, mhm. ou alors euh, vraiment le triomphe modeste quand on aura gagné. Parce que quand on gagne les élections, il y a nécessairement quelqu'un qui n'est pas content, qui est en face de vous. Donc il faut savoir aussi manifester votre joie. Mhm. Et quand euh, euh, vous ne gagnez pas, il faut respecter le choix et la volonté du peuple souverain. Mhm. Donc, Ce qu'on recommande voilà. à ce niveau, c'est que le perdant félicite même euh, voilà. le gagnant. voilà. C'est ce qu'on voilà. recommande Et souvent. non d'être comme M. Trump qui continue à contester la victoire de Joe Biden. Ah, Donc, cette innovation <laughs> on vous a bien compris. Pour à vous, les journalistes aussi, uh-huh de continuer à, sensibiliser et à sensibiliser de manière vraiment impartiale dans le respect de votre déontologie, dans le respect de l'éthique, aux organisations de la société civile de continuer à participer à cette éducation civique des populations avec des prises de position éclairées et impartiales et vraiment qui sont dans le sens de l'intérêt général. Mhm. Et à l'ensemble du peuple nigérien, vraiment de se dire que les élections, c'est un jeu il y a nécessairement un perdant et un gagnant, quel qu'il soit euh, le, jeu, euh, quelle qu'il soit la manière dont il sera joué. Dans tous les cas, c'est un camp qui va gagner euh, par rapport à un autre. Donc il faut aussi qu'on ait cette prédisposition d'esprit et qu'on se dise que effectivement c'est comme ça que les choses doivent se passer conformant d'ailleurs à l'ensemble de nos grandes croyances, notamment la religion musulmane et la religion chrétienne, mhm. là où on sait pour la religion musulmane qu'on a dit Allah malik al mulk mulk le pouvoir bien de Dieu, c'est compris. Voilà, <laughs> merci beaucoup. <laughs> c'est vrai, quand on va dans la religion, on <laughs> comprend que tout est déjà décidé par Dieu. Merci beaucoup, on vous a bien compris. Mhm. Fidèles auditeurs, nous sommes malheureusement déjà au terme des 45 minutes que nous avons pour ce forum qui a eu pour thème quelle voie de recours pour un règlement pacifique des contentieux électoraux au Niger. Nous retenons qu'il faut absolument faire confiance aux institutions de la République pour un Niger de paix. Lorsqu'il y a des contentieux électoraux, il faut passer par les juridictions. Lorsqu'il s'agit d'abord des élections locales, nous avons d'abord les tribunaux, mais également les décisions rendues par ces juridictions peuvent être attaquées au niveau du Conseil d'État ce qui concerne euh, le double scrutin législatif, mais également présidentiel, les recours sont adressés au niveau de la Cour constitutionnelle et c'est la Cour constitutionnelle elle seule qui est la juridiction habilitée donc à rendre une décision de justice par rapport à cet état de fait et sa décision n'est susceptible d'aucun recours. Les deux invités conviennent qu'il faut faire confiance à la justice. Il faut toujours faire confiance à la justice pour que ces élections se passent dans des meilleures conditions et que la suite euh, soit donc euh, faite dans la paix et la quiétude sociale. Nous étions en compagnie du juriste et président de l'ONG Réseau Espérance, Mahamad Bachar et du coordonnateur du collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie, Code Kani Abdoulaye. Nous disons merci à tous les deux d'avoir accepté de faire le déplacement pour venir répondre à nos questions. Merci également à vous, chers auditeurs et téléspectateurs des 46 radios et des 6 télévisions partenaire de Studio Kalangu grâce auquel vous nous suivez. Au micro, c'était Michel Dégé pour euh, la présentation à la technique pour le son Abdelkader Chombiano et à la régie vidéo Mustapha Yuba. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Au revoir. Merci à vous. Merci à tout le monde.